Dekoran di studio Telkom Chers auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans votre forum euh, sur le studio Kalangu. Nous diffusons nos programmes en direct euh, chaque jour grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires à travers lesquels vous nous suivez dans toutes les capitales régionales et dans une vingtaine de départements du pays. Si vous êtes à Niamey, vous pouvez nous suivre sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz ou Challenge FM 96.6 MHz. Euh, notre page Facebook est Studio Kalangu et notre site internet euh, www.studiokalangu.org ainsi qu'à travers euh, WhatsApp. À travers cette émission radiophonique, nous essayons de vous apporter des réponses sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. C'est dans cette optique que nous vous proposons aujourd'hui la thématique gestion de la ville de Niamey réalisation, défis et perspectives nommé président de la délégation spéciale de la ville de Niamey à la mi-août 2017, Mokhtar Mamoudou a à son actif en moins d'un an de gestion beaucoup de dossiers sur l'amélioration du cadre de vie des habitants ainsi que le rayonnement de l'image de la capitale. Néanmoins, beaucoup d'interrogations demeurent quant à la manière dont certains de ces dossiers sont traités et l'immensité de cette mission de rendre toute la ville propre et coquette telle que prônée par le programme de la Renaissance, acte 2. Quels sont donc les projets les plus significatifs pour euh, la ville de Niamey Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Niamey avec euh, les projets réceptionnés et quels autres changements espérés avec euh, les réalisations en cours Comment se fait l'articulation entre les activités qui sont menées à la ville de Niamey et au niveau du commissariat Niamey-Niala Qu'est-ce qui explique jusque-là le manque d'infrastructures d'assainissement dans la ville de Niamey, insuffisance de caniveaux par exemple dans plusieurs quartiers pour euh, faciliter la récupération et le transport des eaux usées et des pluies Que fait la ville de Niamey pour apporter des solutions idoines aux problème de lotissement urbain que connaissent beaucoup de quartiers de la capitale Quelles sont les dispositions prises pour recaser des quartiers comme Combo et Yantala Ganda et que compte faire la ville de Niamey de ces espaces une fois libérés, Malgré tous les efforts en cours, beaucoup de routes restent encore impraticables, surtout en cette période de pluie, y compris la grande route Niamey-Niala, qu'est-ce qui bloque Au niveau de beaucoup de trottoirs de la ville, l'on constate des occupations anarchiques. Pourquoi cet état de fait et comment la ville de Niamey compte y remédier Qu'en est-il du désordre qui règne au niveau des échangeurs de la ville, dont celui dédié au président Djori Hamani que deviennent les mesures prises, notamment la consommation du narguilé ou chicha, l'interdiction de brûler des ordures dans les quartiers ou le ramassage des épaves de voitures dans la ville de Niamey ainsi que les animaux errants. Quels sont les obstacles rencontrés dans la gestion des espaces publics, mais aussi pour appliquer et faire appliquer les dispositions des arrêtés de la délégation spéciale à quand la redistribution des places aux commerçants déguerpis du marché Djamadier et Tagbati, dont certains attendent toujours euh, impatiemment d'être relogés. Qu'est-ce qui a motivé cette délocalisation du marché vers ce nouveau site, 6 euh, au quartier Lazaret Quelles sont les dispositions prises pour euh, mettre les commerçants de ce nouveau site à l'abri d'éventuels sinistres Que vont devenir les espaces Djamadje et de l'ex-petit marché la ville de Niamey a-t-elle des solutions pour la ceinture verte gravement menacée par euh, les morcellements et autres dépotoirs Ce sont à ces questions que nous tenterons d'obtenir des réponses avec le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar euh, Mahmoudou, qui est l'invité du forum euh, d'aujourd'hui. Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À la présentation, Michel Dégé. président Mokhtar euh, Mahmoudou, quels sont au niveau de la ville de Niamey et au programme Niamey-Niala les grands projets que vous avez et qui concernent euh, la ville de Niamey. Alors, merci beaucoup euh, de cette invitation qui nous donne l'occasion de, parler de la ville de Niamey, de ce qui s'est fait présentement et de ce qui se fera dans la suite, les mois, les années à venir il faut dire que la, ville de Niamey a connu ces dernières années euh, beaucoup d'améliorations, beaucoup de travaux qui ont apporté un changement majeur, tant dans l'aspect physique de la ville de Niamey que dans l'aspect euh, social, économique et je dirais même environnemental. Et cela euh, fait suite euh, au programme, à cette initiative du président de la République de doter de la ville de Niamey d'un programme spécial appelé Niamey Niala. Euh, le programme Niamey Niala est né d'une situation caractérisant la ville à un moment donné d'une certaine carence, insuffisance en matière d'équipement et d'infrastructure digne d'une grande ville, digne d'une capitale. Et à partir de ce programme, aujourd'hui, la ville de Niamey a bénéficié de réalisations importantes en termes de, voiries, voirie, les échangeurs, en termes d'équipements structurants, je cite à l'occurrence l'hôpital de référence, et plein d'autres réalisations, aujourd'hui des réalisations qui sont en cours au niveau de la de niamey nous avons mis l'accent sur l'aménagement des espaces euh, publics dans la ville de Niamey et particulièrement un aménagement moderne euh, qui répond aux préoccupations du, du moment. C'est quoi les préoccupations du moment C'est d'abord les nouvelles technologies, c'est la question des ressources renouvelables, tous les espaces publics que nous avons aménagés, nous avons fait en sorte que ça colle avec euh, les nouvelles technologies. Ces espaces sont dotés par exemple de Wi-Fi gratuit, mais ça colle aussi avec l'utilisation des énergies renouvelables. Nous faisons des forages, nous faisons de la télé-irrigation, c'est-à-dire que c'est des moyens modernes d'arrosage des espaces publics que nous avons mis en avant. Nous avons utilisé, certes, l'énergie conventionnelle. Nous avons utilisé aussi le solaire, comme ça, même en cas de coupure, ces places puissent fonctionner. Bref, nous continuons ce, ce, ce travail-là. Et depuis que nous sommes au niveau de la délégation euh, spéciale, nous avons accéléré. Aujourd'hui, en termes de salubrité, la ville de Niamey est en train de devenir propre. Certains disent même que la ville de Niamey est propre. Mais vous savez, une ville ne peut jamais être propre 100%. Il y a mhm. toujours un travail. La ville Gérer la ville, c'est deux choses. C'est le quotidien, gérer le quotidien, tout en conciliant la gestion de ce quotidien-là au développement futur, au développement durable, soutenable de la ville de Niamey. Nous avons toujours fonctionné sur ces deux registres et nous donner la capacité, les moyens de concilier nos activités quotidiennes pour que cela s'inscrive dans une vision globale et durable de la ville de Niamey. Président, qu'est-ce qui a donc euh, changé dans le quotidien des Niamiens avec les projets réceptionnés et quel autre changement on peut espérer à partir de ces réalisations Ce qui, a changé il n'y a pas si longtemps, au niveau des routes, nous avons réparé, en tout cas sur tous les axes fortement fréquentés, nous avons réparé les nids de poules. Bien sûr, vous avez signalé la route est-ouest. Ça, ça nécessite beaucoup de moyens pour mhm. faire ça. Donc, les routes, pour la plupart, sont en bon état. En tout cas, nous avons fait euh, très rapidement. Mhm. Tous les axes principaux sont propres. Les caniveaux, nous les avons, nous, nous, nous, nous les avons pratiquement curés. Nous avons fait un travail considérable depuis notre arrivée sur le mhm. curage des caniveaux. Aujourd'hui, pratiquement tous les axes principaux sont éclairés. On a une ambiance urbaine dans la ville de Niamey. La ville vit le jour, mais la ville vit aujourd'hui la nuit. Nous sommes en train de continuer ce travail d'éclairage de la ville de Niamey. Une ville ne peut pas être sombre. Une ville ne doit pas être sombre. Une ville doit être éclairée pour deux choses. La première chose, pour la sécurité des populations. La deuxième chose, la ville est un lieu économique. Par définition, la ville est un lieu de concentration d'activités économiques. Une ville qui fonctionne que le jour a un handicap. Et à un moment donné, la ville de Niamey avait cet handicap. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des activités qui se poursuivent la nuit. Nous avons une multiplication d'activités. Nous avons aujourd'hui une ambiance urbaine dans la ville de Niamey qui crée aujourd'hui la joie qui crée aujourd'hui la satisfaction sur beaucoup de populations de la ville de Niamey. C'est très important dans une ville. Et ça crée aussi l'attractivité. Non seulement une attractivité endogène au sein même des populations, mais une attractivité aussi extérieure. Aujourd'hui, tout celui qui vient de la ville de Niamey, qui voit ce qu'il y a comme réalisation en termes d'ouvrage, qui voit ce qu'il y a comme, en tout cas, un effort au niveau de la propriété des, des, des sites, Hmm? qui voit aussi tous ces éléments d'embellissement, tant au niveau de l'éclairage que l'aménagement des espaces, ça crée de l'activité. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des changements euh, remarquables qu'il faut noter, qu'il faut apprécier et qu'il faut encourager pour que nous puissions encore redoubler de force, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il est très tôt de dire que tout est bon, tout est ok. Non, Nyamenyala, est un processus, est une vision que le président de la République a, mis en, place. Et nous, nous sommes en train de donner du contenu euh, à, à cette vision-là. Président, vous parlez en même temps de Niamey-Niala, mais aussi de la ville de Niamey. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment se fait l'articulation euh, des travaux que vous menez au niveau de Niamey-Niala mais aussi au niveau de la ville de Niamey. Très bien. En fait, je vous disais tout à l'heure, Niamey-Niala, c'est une vision mm. pour la ville de Niamey qui consiste à doter la ville de Niamey d'infrastructures d'équipements structurant qui consiste à rendre propre la ville de Niamey, qui consiste à aménager les espaces publics, qui consiste à assurer les services essentiels aux populations de Niamey. Bref, un résumé qui consiste à faire de Niamey un cadre agréable où il fait bon vivre. Euh, dans, le cadre de cette vision, nous avons plusieurs acteurs. Nous avons le ministère de l'équipement, le ministère des domaines, nous avons euh, toutes les couches, euh, toute l'administration et les couches sociales qui doivent intervenir. Donc nous avons ici une diversité d'acteurs qui nécessitent une coordination. C'est là que le commissariat Nyamenyala intervient mhm. pour faire la coordination de l'intervention de tous les acteurs. Je prends les échangeurs. Les échangeurs sont réalisés dans le cadre du programme Nyamenyala, mais par le ministère de l'équipement. Mhm. La ville de Nyamé intervient. Nous avons des associations hein, hmm? non gouvernemental des associations dans les quartiers qui interviennent dans, euh, qui interviennent dans ce domaine, tout cela nécessite une certaine coordination. Créer un cadre de concertation que les acteurs là puissent se parler. C'est là le travail du commissariat. C'est le travail que je fais en amont de coordination, de synergie des efforts, d'amener les acteurs à se parler. Et la ville de Niamey est, un, est la structure d'exécution. Au niveau de le cadre de Nyamenyala, on est dans l'identification, on est dans le montage, on est dans la structuration des projets. La ville de, la ville de et la structure, bien sûr, qui travaille sur ce registre, mais surtout qui réalise et qui répond aux préoccupations quotidiennes des populations. Donc voilà, vous voyez, c'est pas, c'est un même ensemble. Il ne s'agit pas de deux ensembles. Il y a un même ensemble. Les actions ne sont pas séparées. Pas du tout. Mais le, le, le, terrain de travail, c'est la ville. Mhm. Le sujet, c'est l'aménagement urbain. On est sur un même sujet où vous avez des gens qui exécutent, nous avons des gens ici qui coordonnent, si vous mhm. voulez, qui supervisent. Voilà, l'équipe de Nyala est là pour superviser, pour coordonner, pour voir que toutes ces actions concourent à cette vision qui consiste à faire de la ville de Niamey une ville Nyala, qui consiste à faire de la ville de Niamey une ville coquette. Vous voyez, le commissariat Niamey-Niala est une structure d'appui créée par le président de la République. C'est une chance inouïe pour la ville de Niamey mhm. d'avoir, au-delà des ressources de la ville, mhm. au-delà des potentiels humains, logistiques et financiers, que l'État central crée une structure qui va accompagner dans la réflexion dans le choix, ne serait-ce que ça, c'est important. Donc je crois que c'est une chance supplémentaire que la ville de Niamey a pour avoir un soutien de ce type-là. C'est très important. Et je crois que aujourd'hui, le travail se fait malgré la rareté des moyens. Parce que ce qu'il faut noter ici, ce que beaucoup ne savent pas, depuis que nous sommes arrivés à la ville de Niamey, nous travaillons sur des ressources propres. Nous travaillons sur les ressources que nous avons mobilisées. Certains disent que euh, c'est l'État central qui finance tout. Non. L'État central ne finance pas. Non. L'État central, euh, l'État central, en réalité, c'est ce qu'il faut le dire, finançait avant la ville plus qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les chiffres. Moi, je n'ai pas bénéficié d'un franc à part euh, les, les, salaires qui sortent de notre compte, du compte de la ville, contrairement aux responsables de la ville précédente, euh, le responsable d'avant, moi je, je, je, je, ne reçois pas de, de, de ressources de l'État. J'ai fait une mobilisation, j'ai fait une capitalisation sur l'homme et sur les potentiels de la ville en termes de mobilisation de ressources. Et surtout, ce qui est important qu'il faut souligner, nous avons fait une gestion rationnelle et responsable de ces ressources. Et ça dit, nous étudions de près les travaux. Non seulement que les factures concordent avec le travail qu'il fait, mais aussi que ces factures soient raisonnables par rapport au prix appliqué. Et nous sommes très vigilants par rapport à la qualité des travaux. Si le travail est mal fait, nous ne faisons pas de réception. Si le travail n'est pas fait dans les règles de l'art, et nous n'admettons pas du suffrage exagéré. Et sur ça, le contrôle, mhm. nous faisons ça de façon permanente. Au niveau des techniciens de la ville, mais nous avons l'appui du personnel du commissariat qui nous aide à avoir ces choses-là et faire au maximum une gestion rationnelle de l'argent public, du contribuable. Et surtout, il faudrait absolument que les contribuables voient Mhm. sur le terrain qu'est-ce qu'on fait de leurs ressources. Ça, c'est important pour nous parce que à un moment donné, quand nous sommes arrivés au niveau de la ville de Niamey, mhm. nous avons constaté que c'était une, ville qui n'avait pas, qui n'était pas crédible. Mhm. Crédible chez les populations, mais crédible même chez les partenaires. Il fallait faire un travail sur soi, sur la ville, pour corriger cette image de la ville de Niamey, pour que la ville devienne crédible au niveau des populations, pour que la ville devienne crédible au niveau des partenaires toutes catégories confondues. Nous avons fait ce travail-là et aujourd'hui, la ville est de plus en plus crédible. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'aérés au niveau des travailleurs. Euh, nous avons, oui, les aérés que nous avons trouvés, c'était la première préoccupation. Nous avons créé les moyens pour les épurer. Aujourd'hui, si vous voyez que les salariés travaillent avec enthousiasme, c'est parce qu'ils sont payés. Ils sont payés à terme issu depuis que nous sommes arrivés. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la priorité que je me suis donnée. La priorité des priorités, vous ne pouvez pas faire travailler quelqu'un, n'est pas le payer. Je finis le salaire de ce mois, le lendemain, je prépare le salaire du mois prochain. C'est vérifiable. Et ça, les gens, à mon avis, ils, ils remarquent cela et ça nous crée du crédit. C'est très important d'avoir du crédit chez les autres. Vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un tant que cette personne ne vous fait pas confiance. Nous ne pouvons pas travailler pour la ville de Niamey tant que les populations de la ville de Niamey nous fassent confiance. Et pour que cette population nous fasse confiance, il faut qu'ils voient l'amélioration de leurs conditions de vie. Le quartier Zongo, euh, une des populations, ils nous ont dit, voilà aujourd'hui, c'est le Zongo que connaissait d'avant. Il y a jadis, le quartier Zongo est impénétrable. On ne peut pas circuler, c'est invivable. Aujourd'hui, le quartier Zongo est propre. Les routes sont dégagées complètement dégagés, les caniveaux sont curés et nous avons fait même de la démoustication pour que les populations puissent vivre dans les meilleures conditions de vie. Ce travail, nous sommes en train de faire partout, mais je ne dis pas que nous l'avons fait partout. Je ne, disais pas, je ne veux pas dire que nous avons résolu tous les problèmes de la ville, mais je pense qu'il y a une dynamique qui est là et que nous sommes en train de poursuivre progressivement. Nous voyons donc qu'il y a des efforts euh, colossaux qui sont visibles dans la ville. Qu'est-ce qui explique euh, malgré tout cela, Président, le fait que jusque-là, nous avons un manque euh, d'infrastructures d'assainissement dans la ville de Niamey, insuffisance de caniveaux par exemple dans plusieurs quartiers comme Bukoti, Banifondou et surtout dans les quartiers périphériques euh, pour faciliter la récupération et le transport des eaux usées et des eaux de pluie. Là, là, vous posez une question de fond. Malheureusement, euh, la ville de Niamey pendant des années s'est développée de manière euh, peu égalitaire. Hmm. Ça veut dire quoi On faisait des lotissements. Ce qui primait, c'était construire et faire sortir quelques voies. Et la question d'assainissement, malheureusement, n'a pas été traitée, n'a pas été prise en compte. Parce que, vous savez, dans toutes les villes, et la question de l'assainissement a un coût, une charge. Mm. Et on a tendance à négliger ça, malheureusement. C'est pas seulement la ville de Niamey. Hein. C'est dans beaucoup de villes. Et ces genres de choses finissent toujours par rattraper. Et c'est dans cette situation que nous retrouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville s'est étendue, la ville s'est multipliée, et on n'a pas assez de routes. Hein. Euh, dans la, quelques, on a fait des efforts, mais il reste encore. Il n'y a pas d'autoroute, par exemple. Voilà, on n'en a pas, on en a, mais oh, j'ai dit même aujourd'hui, si on n'en a pas assez, avant, qu'est-ce qu'on peut dire mhm. Malgré ces grandes réalisations. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours mieux faire. Mais la question de l'assainissement nécessite aujourd'hui une opération spéciale, une attention particulière mhm. pour que nous puissions prendre cela en charge, trouver des financements. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'urgence. C'est quoi l'urgence nous avons identifié tout ce qu'il y a comme caniveau. Parce que là où le problème est plus grave, c'est que nous, nous sommes venus à la ville de Niamey, même le réseau existant, qui n'est pas, qui est à la limite embryonnaire, n'est pas pris en charge, n'est pas traité. Et aujourd'hui, dès que nous sommes arrivés, nous avons fait l'état des lieux et nous avons pris en charge les réseaux existants. Je vous informe que nous avons curé des caniveaux qui n'ont pas été curés il y a 20 ans de cela. Dans quel quartier, par exemple On prend dans le premier arrondissement même en face du premier arrondissement là, hein, dans le, sur le Vers, vers, le lycée Bosso Vers le lycée Bosso, nous avons. Mm. Vous partiez dans le troisième arrondissement, des caniveaux qui ont disparu. Vous, vous, partez le long de la route qui passe devant le grand marché, des caniveaux, des grands caniveaux, des collecteurs qui peuvent, qui n'ont jamais été. Hein. Dans les anciens quartiers du troisième arrondissement, il y en a plein de caniveaux. Mm-hmm. Hein, on peut vous donner une grande liste de caniveaux qui n'ont jamais été curés. Voilà certains qui ont disparu, certains qui fonctionnaient à peine. Aujourd'hui, on peut faire le tour, on peut vous donner la situation. Tous ces caniveaux ont été curés. Et nous continuons ce, ce, cet effort. Je pense qu'une des premières choses, c'est de restaurer et de rendre fonctionnel le caniveau existant. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Je vous disais tout à l'heure, gérer la ville, c'est gérer le quotidien, mais inscrire aussi la ville dans une dimension durable. Je pense que la solution, ce n'est pas demain de venir faire des caniveaux un peu partout dans la ville de Niamey. Non, je pense qu'il faut développer des nouvelles techniques, mmh. des techniques adaptées, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, si on a des problèmes avec l'eau, c'est parce qu'on est en train d'occuper des espaces qui appartenaient à l'eau. Je prends les bras morts du fleuve. Je prends le Guntiena, dans Kwarkano Nord, on est confronté, les populations. Les gens sont partis construire dans le Guntiena. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Donc, il faut absolument qu'on repense la ville à partir de l'existant. Comment garder l'existant tout en cherchant des places à l'eau Comment garder l'existant en se réconciliant à notre environnement nous allons faire cet exercice-là. Nous sommes en train déjà d'expérimenter. Vous allez faire un tour à, à mm-hmm. où nous sommes en train de réaliser un bassin qui va recueillir les eaux pour éviter que les eaux remontent dans les ménages. On les accueille à un endroit. On va créer une zone, un bassin de rétention d'eau qui permet de recueillir. Nous allons expérimenter ça au fur et à mesure. Je pense que, honnêtement et techniquement, on n'a pas tellement de choix que d'aller vers ces techniques qui correspondent aujourd'hui à notre réalité physique, qui correspondent aujourd'hui en tout cas, euh, au problème que, vivent la ville, que, que, vit la ville de Niamey actuellement. Président, par rapport au curage des caniveaux dont vous avez parlé, la plupart de ces caniveaux, on les voit à ciel ouvert. Est-ce qu'il n'y a pas une solution qui pourrait permettre euh, de les fermer et que ça diminue un peu le curage que vous avez l'habitude euh, de faire au niveau de ces caniveaux Vous voyez, aujourd'hui, la, solution que nous recommandons, c'est d'abord, il faut que la mairie, les arrondissements fassent leur travail mhm. d'entretien de ces caniveaux. Deuxièmement, il faut que les ménages, les populations arrêtent de jeter des ordures, mm-hmm. arrêtent de remplir ces caniveaux avec ce qui ne convient pas, arrêtent de rejeter les eaux usées de leurs ménages dans ces caniveaux. Je pense que quand on fait cet effort minimum, on verra que ces caniveaux vont fonctionner. Bien entendu, à certains endroits, c'est nécessaire mm. qu'on ferme pour permettre la mobilité, permettre aux gens de se déplacer, mhm. c'est nécessaire de fermer des caniveaux. Et je pense que euh, cette solution, il faut la, la, prendre au cas par cas. Mhm. Quelles sont les dispositions prises, euh, Président, pour recaser des quartiers comme Combo euh, et Yantala voilà, c'est l'occasion pour moi de vous parler des grands projets dans la, la, ville de, de Niamey. nous avons comme grand projet de la ville de Niamey l'aménagement des, berges du fleuve. Mhm nous avons comme grand projet l'aménagement de la vallée euh, Gunchina, qui est déjà en cours. Nous avons comme grand projet l'aménagement du centre-ville, la, la, restructuration du, centre-ville de Niamey. Je vais venir euh, <clears throat> sur l'aménagement de la, de la corniche. Vous savez, la ville de Niamey a pris naissance pratiquement au bord du fleuve. Et dans la mutation urbaine, la ville de Niamey a évolué en tournant le dos au fleuve et on a délaissé les berges du fleuve. C'est un fait hmm. qui est là. Mais quand vous regardez, surtout en vue aérienne, vous allez regarder que la structuration de la ville s'est faite autour du fleuve. Une partie à la rive gauche, une grande partie, et une partie à la rive droite. Et vous allez remarquer que les berges du fleuve sont délaissées. Le projet d'aménagement de la corniche euh, Yantala vise à concilier les deux parties de Niamey, mhm. mais surtout à créer un lien entre la ville de Niamey et cet élément structurant qui est le fleuve Niger, qui est environnementalement parlant, qui est un joyau, qui est une force, qui est un aspect physique important pour la ville de Niamey dont les populations de la ville de Niamey n'en bénéficient pas. Ailleurs, ceux qui ont la mer, voyez les gens aller à la, euh, sur, euh, à la plage, etc. Vous voyez aujourd'hui, même les endroits du fleuve où les gens se vont ne sont pas aménagés conséquemment. Nous avons dit que cette partie de la ville traversée par le fleuve Niger à travers ses berges, nous devons créer de l'attractivité. Nous devons l'aménager tout en respectant, et ça j'insiste là-dessus, tout en respectant la question environnementale. Nous allons respecter ça, mais en modernisant, en valorisant ces espaces, en créant des centres de loisirs, des aménagements paysagers, de, de l'hôtellerie, euh, des centres d'activité, mais aussi euh, de l'habitat. Mhm. En fait, c'est un aménagement mixte. Ce qu'on dit techniquement, vraiment, c'est un aménagement qui s'inscrit dans une logique de mixité urbaine. Nous allons faire de tout pour que tout le monde se retrouve, pour que ça crée vraiment un centre d'intérêt. Vous voyez, ça c'est le premier objectif de l'aménagement euh, de la corniche. Le deuxième objectif de l'aménagement de, la corniche, c'est que euh, quand vous partez sur le terrain, vous allez, vous allez trouver des populations qui vivent dans une situation précaire, qui vivent dans la promiscuité, qui vivent dans l'insécurité. L'année passée, nous avons enregistré, pendant la saison des pluies, des, morts d'hommes et des blessés suite à des effondrements de maisons. Parce que les populations qui vivent aujourd'hui là-bas n'ont pas les moyens d'aménager ce site. Le site est très, accidenté, ça nécessite des gros moyens pour l'aménager. C'est pour cela que nous avons fait le choix non seulement d'aménager cet espace-là dans le but de l'embellissement et de la modernisation de la ville de Niamey, mais dans un but aussi social qui consiste à apporter un concours à ces populations qui y vivent, à leur donner un site qui correspond, je le précise bien, qui correspond à leurs préoccupations, qui correspond à leur activité, qui correspond à leur milieu de vie et à leur envie nous avons tenu compte et c'est pour cela que nous les avons repérés un site à la rive droite qui correspond. Nous les avons amenés, ils ont visité, ils ont apprécié, ils sont contents de ce site. Et ça, ça nous cause. Nous avons privilégié la concertation, le dialogue avec ces populations. Nous avons fait des visites de terrain, nous avons fait des enquêtes de ménage pour les amener non seulement à comprendre la pertinence de ce, de ce projet, mais à adhérer à notre politique de gestion vous avez leur approbation Absolument, absolument. Je, le, je, je, je le, confirme. En tout cas, c'est avec euh, les échanges que nous avons eus avec eux. La dernière fois, nous avons tenu une réunion autour du gouverneur de la région de Niamey, euh, devant lequel ils ont en tout cas exprimé leur joie par rapport à la façon dont nous sommes en train de mener ce, ce, ce, ce projet de recasement de ces, ces populations. Nous, nous allons les amener un site. Ils ont vu le site, ça leur convient ça ne les éloigne pas des activités qu'ils sont en train de mener. Et vous allez les dédommager, Président Ah bien sûr, déjà, le fait de leur donner des terrains, c'est déjà pas rien. Mais en mm. plus de cela, nous allons leur apporter le concours nécessaire pour qu'ils s'installent. Nous allons prendre en compte autant que possible leurs préoccupations pour qu'ils euh, vivent bien. Nous avons intérêt, et seul intérêt, que la satisfaction des populations de Niamey. Nous n'avons pas intérêt euh, à les rendre mécontents et nous allons faire ce travail-là en toute responsabilité de la justice et de l'équité. Au niveau de beaucoup de trottoirs de la ville, on constate euh, des occupations anarchiques. Euh, président, pourquoi cet état de fait et comment la ville de Niamey compte euh, y remédier Nous sommes en train de mettre de l'ordre sur beaucoup d'axes. Mais vous savez, ces occupations, ça ne ça s'est pas fait d'un jour, ça ne s'est pas fait en une journée. Mm-hmm. Ça s'est fait pendant des années. Nous n'allons pas nous lever pour dire à tout le monde de déguerpisser, bouger de là. Il faut intégrer ce paramètre social. Ces gens qui sont sur cet espace-là, c'est leur gagne-pain, c'est leur activité économique. Nous, nous sommes dans cette logique. Les personnes qu'on déplace, on leur propose un endroit. Mm-hmm. Ou bien on réorganise cet espace-là. C'est l'option. Et c'est déjà d'options, bien entendu, c'est un travail cas par cas, c'est un travail progressif. Je veux vous, vous allez voir dans la vie de Niamey beaucoup d'endroits où nous avons travaillé, mais il reste à faire. Nous sommes dans, cette logique-là. Nous ne voulons pas brusquer les populations de, de Niamey. Les habitudes ont pris du temps à s'installer. Les nouvelles habitudes vont prendre du temps à, à désinstaller les mauvaises habitudes. Mmh. Qu'en est-il donc euh, du désordre qui règne au niveau des échangeurs de la ville, dont celui dédié au président Djori Hamani que vous avez récemment visité Est-ce qu'il y a eu à ce niveau des changements Oui. Pour le moment, euh, nous avons fait des opérations pour amener les gens euh, à respecter l'ordre, à respecter le fonctionnement de l'échangeur. Mais je, je, je, pense que ce problème euh, nécessite qu'on se pose un peu et en posant la question du fonctionnement des commerces du marché Katako et alentour qui se passe et le lien avec euh, l'échangeur. Donc euh, nous sommes, nous avons quelques pistes de solutions par exemple, une des solutions consiste à réorienter l'ouverture du marché Katako vers la, route euh, qui passe devant l'ACO, qui va vers la cité caisse, pour que le marché tourne le dos à l'échangeur. Nous allons pris la décision de mettre en tout cas une barrière. En fait, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour euh, trouver une solution euh, par rapport à ça. Cela n'exclut pas, nous avons fait plusieurs interventions et d'ailleurs euh, à tout moment vous allez voir que nos équipes sont là-bas, d'abord pour informer les gens, les sensibiliser à, suivre, à utiliser les passerelles à utiliser les passages piétons, etc. Nous, nous prenons des sanctions aussi. Je pense que le plus important, il faudrait que nous nous activons constamment sur ces sites-là pour amener les gens euh, à changer de, comportement, euh, d'attitude, de, pratique. Et pour ça, nous avons le concours de la, de la police. Nous sommes en train de faire le travail. Mais c'est important aussi que euh, tout le monde s'investisse et je pense que les associations, les organisations qui interviennent dans le domaine de la sécurité hum, euh, peuvent apporter aussi leur concours. Certains se sont déjà manifestés et nous sommes en train de travailler avec eux dans le sens du changement, mais, mais aussi, aussi la prise des mesures de, de, de sanctions à l'encontre de tous ceux qui contreviennent aux interdictions que nous avons euh, données. Et que deviennent les mesures euh, déjà prises, notamment euh, par rapport à la consommation du nalguier ou mm. chicha, l'interdiction de brûler des ordures dans les quartiers ou le ramassage des épaves de voitures dans la ville de Niamey, ainsi que les animaux errants. Très, très, bien. Nous sommes en train de faire un travail, hein. la police intervient. Euh, à certaines places, euh, ils interpellent euh, ceux qui ne respectent pas l'arrêté. Moi, je pense, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un progrès. Il peut ne pas être peut-être relativement considérable, c'est certain, mais considérable chez l'autre. Tout cela est relativement une chose de sûre. Il y a un progrès, il y a une dynamique qui est là, nous sommes en train de, poursuivre ça. Euh, nous avons la brigade euh, qui sera en tout cas renforcée. Nous sommes en train de préparer les conditions pour cela, pour que ça soit vraiment généralisé dans toute la ville de Niamey. Nous avons mis en place une plateforme Ignala Mhm. une plateforme euh, interactive. Donc nous recevons euh, des dénonciations. À travers Internet. Ah oui, à travers Internet. C'est très mhm. important. Mhm. C'est une application téléchargeable. Nous invitons en tout cas les populations de Niamey, tous ceux qui peuvent, de, de télécharger cette application. Ça leur permet d'être près de nous. Ça leur permet de dénoncer tout ce qui ne marche pas dans la ville de Niamey. Vous savez, la ville de Niamey est assez complexe, assez grande qui nécessite vraiment l'implication des populations pour que nous puissions opérer, arriver le changement que nous voulons dans la, ville de Niamey. La plateforme Ignala euh, sert à ça, c'est une plateforme interactive qui nous permet d'être près des populations, qui permet à ces populations d'être vraiment euh, très près de, nous. Nous avons une équipe qui est là 24 heures sur 24, qui anime, qui, voilà, qui anime, qui reçoit les images, les, etc. Et nous dépêchons des équipes sur le terrain pour apporter des solutions. Ceux qui n'ont pas hum, euh, cette euh, possibilité, il y a le numéro vert aussi le, le, le 34-43, voilà, que, euh, sur lequel euh, les gens peuvent euh, appeler, et c'est gratuit, et c'est accessible euh, à tous. Donc voilà, il faudrait aussi que les gens, euh, bon, pour ça encore, euh, en tout cas, nous allons continuer l'information, la, la, sensibilisation et la, la, vulgarisation pour que tout le monde puisse connaître et savoir l'existence de ce dispositif, de ces outils qui leur permet tout simplement de participer à la gestion de la cité. Euh, il y a aussi alors euh, la question de la gestion des espaces euh, publics. Est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez dans ce cadre On a des difficultés, on a des difficultés sur le comportement des gens au niveau de ces espaces publics. Je vous donne l'exemple, la place Nyaméniana à côté de l'hôtel des, des postes. Nous avons mis des poubelles là-bas, mais on était obligé de mettre des gens qui vont nettoyer chaque matin. Vraiment, c'est inconcevable que vous avez des poubelles à côté, vous allez boire de l'eau, vous allez faire, euh, vous allez rester sur cet espace, mais tous les déchets, les gens se les laissent sur place c'est c'est pas responsable. Nous sommes en train de faire des sensibilisations euh, dans ce sens et la brigade sanitaire euh, va certainement euh, prendre des sanctions dans ce sens. Mais je pense que franchement sur ça, je, je lance un appel à la responsabilisation des populations de Niamey mm, dans la prise en charge de la propriété de la ville de Niamey, dans la prise en charge de, la propriété des espaces publics, qui consiste tout simplement à ne pas salir, voilà, il y a des poubelles qui sont là, même s'il n'y en a pas de poubelle, je, je, je, il, faut, il y a toujours une solution. Il y a toujours, mais nous sommes en train de mettre des poubelles dans tous les espaces publics et même des toilettes euh, publiques dans ces espaces publics pour empêcher la défécation ou bien euh, de faire pipi dans les espaces publics. Euh, euh voilà, président la redistribution des places aux commerçants déguerpis du marché Gamadje et Tagbati, dont certains attendent toujours impatiemment d'être relogés. Cela est en cours, cela est en cours. Il y a eu quelques, quelques manquements dans l'attribution des places. Nous avons, en tout cas, euh, mis en place un, comité qui est en train de recenser ces cas et, et corriger très rapidement euh, pour que euh, les commerçants qui n'ont pas eu des places puissent avoir des places euh, telles que euh, nous l'avons voulu dès le, le, départ. Nous avons privilégié la, concertation. Vous avez remarqué que le déplacement de Yamadi n'a pas fait objet de bagarre, de dispute. Ça s'est fait dans la concertation, dans l'entente euh, entre nous et ces, commerçants. L'ancien site, vous avez remarqué, nous avons, nous l'avons mis propre, nous l'avons euh, assaini et même l'éclairage qui ne fonctionnait pas, nous l'avons arrangé, nous avons profité de la foulée pour travailler et le décongestionnement, euh, la salubrité, le curé des caniveaux de tout le quartier Zongo aujourd'hui. Le site est joli à voir. Et parallèlement, sur euh, le nouveau site, nous, allons, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que ces commerçants puissent s'épanouir dans ce lieu et exercer leur, euh, leur activité dans la sécurité et la quiétude. Et à dire que des dispositions sont donc prises pour que ce marché soit moderne dès à présent et mettre les commerçants à l'abri d'éventuels sinistres en ce qui concerne les installations qui sont faites euh, en ce moment. Oui, oui, les, les matériaux ne sont pas euh, définitifs, mais le site euh, comparé à l'ancien site, vous, voyez vous-même que le site euh, convient parfaitement euh, à de telles activités. nous avons d'abord viabilisé le site en, amenant l'électricité, en faisant l'éclairage, en apportant l'eau, en faisant des toilettes euh, euh publiques, euh, les voies d'accès. Nous, allons, nous sommes en train de renforcer l'aménagement euh, des, des, des, voies euh, d'accès. Aujourd'hui, vous avez un engouement autour mm. de, de, de ce marché. Hein. Au départ, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte de la pertinence du choix du site et euh, vraiment euh, de tout l'intérêt que cela euh, suscite dans la ville de Niamey, ce qui fait que vous avez non seulement au-delà des commerçants de Niamey, beaucoup de commerçants veulent aller sur ce, sur ce site. Ça, c'est un signe fort qui montre euh, la, la, la pertinence du choix du, site, mais je pense aussi de la, de la réussite de la négociation avec euh, les concernés. Qu'est-ce qui a motivé cette euh, délocalisation de Gamadie vers ce nouveau site qui est à Lazare et que compte faire la ville de Niamey de ses anciens espaces Djamadje, mais aussi de l'ex-petit marché? Ce qui a suscité d'abord les commerçants qui sont là-bas ne sont pas dans une zone de sécurité. Chaque année, pendant les saisons de pluie, nous avons des dégâts sur les biens de ces commerçants et même des dégâts euh, physiques en tant que responsable de la ville, nous ne pouvons pas accepter la récurrence euh, de ces dégâts, d'où la nécessité d'amener ces commerçants euh, sur un site sécurisé. La, la, deuxième préoccupation, euh, l'insalubrité de, de la zone. Voilà, le site est, est très petit. Il y a une promiscuité qui fait qu'il y a une activité intense. Il y a un mouvement humain euh, très fort et qui, qui dépasse le site et qui nécessite un repositionnement de ce site sur un terrain beaucoup euh, plus grand. Donc voilà. L'autre la, la, raison, c'est la, modernisation de la ville de Niamey. Donner à la ville de Niamey. Est-ce qu'il y a des édifices que vous comptez construire au niveau de ces espaces Bien sûr, il y a l'aménagement de la corniche, mhm. mais il y a aussi la création de centres d'activité dans le centre-ville qui nous impose à faire de la corniche un lieu propre, un lieu euh, tout simplement coquette. Président, la ville de Niamey a-t-elle des solutions pour la ceinture verte gravement menacée oui, la solution en cours, il y a un comité interministériel autour du ministre de, l'Intérieur qui associe tous les acteurs concernés, y compris le ministère de l'Environnement. Nous avons un plan d'action actuellement qui est euh, en élaboration et qui sera mis en service pour, en tout cas, euh, sauvegarder cette ceinture verte euh, nécessaire pour la ville de Niamey. Président, Merci pour euh, avoir répondu au studio Kalangu. Nous avons eu comme euh, thème pour euh, ce forum gestion de la ville de Niamey, réalisation, défis et perspectives. Notre euh, invité, c'est le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar euh, Mahmoudou, qui a répondu à nos questions par rapport euh, aux différentes actions qui sont menées pour rendre la ville de Niamey coquette comme le veut le programme de la Renaissance, acte 2. Nous avons vu les différentes difficultés et les grandes perspectives de la ville de Niamey ainsi que les efforts qui sont en cours afin d'arriver à rendre la ville propre et coquette. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à présent au terme de cette émission. La réalisation est assurée par Boubou Diallo à la technique Issa Laoli. Au micro, Michel Deji. Excellente soirée et au revoir.